forum forum du forum forum forum Il est 18h15 à Maradi. C'est l'heure du forum du studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les huit régions du Niger notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.estudiokalangu.org. Le forum du Studio est un espace d'échange, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lequel des personnes ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens relativement à des questions d'actualité ou de société. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou s'intéresse à l'économie et le commerce, cas de Maradi appelé capitale économique du Niger. Et pour développer ce sujet, nous sommes dans le studio de la radio Garkoa, notre principale radio partenaire dans la région de Maradi. Nos invités sont Abdou Harouna, directeur régional des impôts de Maradi. Abdou Harouna, bonsoir. Bonsoir. Tijani Mahaman Sani de la direction régionale du commerce. Tijani Mahaman Sani, bonsoir. Bonsoir, monsieur. El Haj Mahaman Lawali Hamissou du syndicat des commerçants de la région de Maradi. El Haj Mahaman Lawali Hamissou, bonsoir. Bonsoir. Et Abdou Hassan, directeur de la Chambre de commerce et de l'industrie de Maradi. Abdou Hassan, bonsoir. Bonsoir. Plus connue sous le nom de la capitale économique du Niger, Maradi est une ville gruyante, pleine d'activités. Le constat s'impose à tout voyageur qui pénètre dans la cité, une agglomération cosmopolite où la circulation est vive et très dense par moment. Ce sont là des éléments d'appréciation qui attestent de la vitalité des échanges multiformes qui caractérisent le chef-lieu de région de Maradi. Les échanges commerciaux sont contrôlés par des opérateurs économiques de grande envergure. Ces manières de la finance et du négoce ont des réseaux implanté aussi bien en ville que dans les zones rurales et même au-delà des frontières du Niger. La particularité du Maradi réside dans l'importance des relations commerciales qu'elle entretient avec le grand voisin, le Nigeria, l'une des plus grandes puissances économiques du continent. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes de Maradi se sont fait de l'argent grâce aux opérations vers le Nigeria. Des produits agro-pastoraux tels que le bétail, le souché ou encore le niébé, etc. Aruna Abdou, directeur régional des impôts de Maradi. En termes de recettes fiscales, qu'apporte la région de Maradi dans l'économie nigérienne donc, euh, merci au studio Kalangou pour cette initiative qui, quand même, va dans notre droite ligne de campagne de sensibilisation et de communication au niveau de la Direction générale des impôts en général et la Direction régionale des impôts de Maradi en particulier. Donc, comme vous l'avez dit, Maradi, c'est la capitale économique. Et qui dit économie dit contribution à la fiscalité, donc contribution aux ressources fiscales. Effectivement, Maradi, elle joue un rôle assez important dans la mobilisation des recettes de la contribution aux recettes euh, générées pour le compte du budget national et aussi du budget de collectivité. Donc Maradi, vraiment, elle a une place assez prépondérante, malgré, bon, on va revenir un peu plus tard sur la situation économique euh, réelle, mais quand même, je tiens à vous dire, pour répondre à votre question, Maradi tient quand même une place assez importante dans la contribution des ressources fiscale mobilisée actuellement au Niger. Est-ce qu'il y a des perspectives, euh, monsieur le directeur, euh, pour euh, améliorer significativement cette contribution du Maradi dans l'économie nigérienne les perspectives, effectivement, elles sont parce que dans tout domaine, si on n'a pas des perspectives, bon, ben, il faut plier bagage. Donc, moi, depuis ma prise de service, ma prise de fonction au niveau de la région, direction régionale des impôts de Maradi en février, j'ai fait ma principale politique, l'approche on a tenu un certain nombre de réunions avec euh, les partenaires économiques et pratiquement chaque jour, chaque semaine, je reçois les partenaires qui sont là pour des sensibilisations, pour des campagnes d'explication, pour que chacun, d'abord, il faut que chaque citoyen prenne conscience que nous ne pouvons développer notre pays que grâce à l'impôt. Donc il faut que chacun s'approprie cette thématique, cette euh, conception de l'impôt. Donc vraiment les perspectives, c'est une campagne assez poussée sur la sensibilisation pour que au moins chacun puisse euh, payer ses impôts. C'est dur de payer les impôts, mais il faudrait qu'on puisse amener les contribuables à s'acquitter de, leurs impôts de la manière la plus douce possible. Monsieur le directeur, est-ce que le message passe Effectivement, bon, vous savez, dire que le message ne passe pas, c'est trop dur. Quand même, du point de vue des échos que nous recevons aujourd'hui de la région de, de Maradi, c'est que vraiment le message passe. Parce qu'on n'a pas, vous avez tout le tintamarre qu'il y a eu autour de, le tapage qu'il y a eu autour de la loi des finances. Et Alhamdulillah, aujourd'hui, vous constatez au niveau des maradis, on n'a pas eu ce que les gens, les uns et les autres espéraient, le boomerang, pour qu'il y ait des contestations de tout ça. C'est que ça dit qu'on a expliquer, on s'est entretenu avec les commerçants pour leur expliquer les tenants et les aboutissants de cette loi et les, même les non-dits, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont allés dans des interprétations de fois erronées, dans la plupart des cas erronées de, certaines dispositions de cette loi de finances. Et nous avons, grâce euh, à, nos partenaires de la Chambre de commerce, nous avons quand même euh, essayé de redresser la balance pour que les gens puissent comprendre. Et je crois que le message, mais comme je suis avec euh, ici en studio avec des représentants des opérateurs économiques. Ils vont eux-mêmes témoigner. Monsieur le directeur régional des impôts, Aruna Abdou, quels sont les atouts et autres opportunités encore non exploitées à Maradi qui peuvent être l'oxygène pour le trésor national vous savez peut-être, euh, je veux peut-être un aller un peu plus loin. Le problème de la, structure du commerce même au niveau de Maradi qui a fait des fois ses, son apogée et qui fait aussi son déclin. Donc on voit un peu le cours de l'économie. Toutes les économies, au départ, elles se sont développées sur des spécialisations. Il faut que les économies soient complémentaires. Vous avez vu de tout temps, l'agriculteur, il a besoin à côté de lui du forgeron pour produire les produits, pour les, outils. Mais si l'agriculteur dit que moi-même je veux produire mes outils, vous voyez ce que ça va faire. Donc le problème de la structure de l'économie au niveau du Maradi, c'était ça. Les économies, les échanges sont plutôt similaires et non complémentaires. Donc c'est ça qui a fait que dès qu'il y a euh, une crise, qui frappe le secteur et c'est fini. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on songe effectivement à, dans un cadre, on est en train de chercher à améliorer l'assiette fiscale. Ça, c'est dans un cadre global qu'on est, qu'on est en train de voir quels sont les secteurs qui sont sous-fiscalisés ou qui ne sont pas du tout fiscalisés pour qu'on puisse soumettre, puisque l'impôt il prend en compte la capacité contributive de chacun. Il faut que chacun puisse contribuer à l'effort pour le redescendre, pour le développement de l'économie. Donc, il faudrait qu'on sache, qu'on identifie d'abord les niches fiscales, essayer de les imposer chacun en fonction de ses moyens, chacun en fonction de ses capacités. En vous entendre, monsieur le directeur, les commerçants ne traînent pas les pieds. Ils ont compris euh, l'importance euh, du paiement de l'impôt pour la vitalité de l'économie nigérienne. vraiment, je tire un chapeau aux commerçants de Maradi qui de plus en plus comprennent comprennent parce que chaque jour les gens viennent, partent chez nous. puisque l'impôt, moi j'ai toujours dit à mes partenaires qu'on paye l'impôt parce qu'on est convaincu de son bien fondé. Les, ceux qui partent chez nous, on leur explique. Puisque ça prend en compte la capacité de chacun. Vous allez voir quelqu'un vous dire non, moi j'ai été surimposé. Mais c'est parce qu'il n'a pas avec lui les outils qui ont permis de calculer cet impôt. Généralement, c'est sur le système de déclaration le citoyen, c'est lui qui déclare, voilà l'activité que j'ai faite, voilà ce que j'ai gagné, et on applique des taux. C'est des taux qui sont là, donc lui-même, il peut calculer ses impôts et venir les payer. Je connais bien le taux d'alphabétisation de, d'alphabétisation au niveau de nos opérateurs économiques, surtout nous avons des textes de la fiscalité, je comprends, c'est le droit. C'est difficile à interpréter, même chez nous, vous avez des fois quelques difficultés, à plus forte raison quelqu'un qui n'a jamais pied dans une école de droit fiscal. Donc, mais quand même, on est en train de leur expliquer que si vous avez payé tel impôt, c'est parce que réellement les éléments d'appréciation sont partis de chez vous. Nous n'inventons pas à la DGI, en général, et à la DRI en particulier, des bases pour calculer des impôts, sauf bien sûr dans le cas où le contribuable ou le citoyen refuse de déclarer. Mais on se contente de ce que vous, vous avez déclaré pour vous imposer. Maintenant, après, l'administration a un pouvoir de vérification, on a un pouvoir de contrôle. À l'issue de ce contrôle, si nous nous retrouvons avec d'autres éléments, là, on vous appelle directement pour vous dire Ah, écoutez, monsieur, vous avez dit que vous avez fait tel chiffre d'affaires, mais nous, on a trouvé, on s'est rendu compte que à partir des recoupements que nous avons reçus, c'est plutôt ça que vous avez fait. C'est un débat contradictoire. C'est à vous d'apporter les preuves que ou c'est vrai ou c'est faux et on tire les conséquences fiscales. Tidjani Mamansani de la direction régionale du commerce, qu'est-ce qui fait la particularité de Maradi comparativement aux autres régions du Niger au plan commercial Nous vous remercions vraiment de cette initiative de votre part qui honore euh, la ville de Maradi et les services techniques en particulier. Si je reviens à votre question, la particularité de, de la ville de Maradi en matière économique et surtout commerciale, et le fait que Maradi, est à trois quarts, sinon à trois quarts de, sa population, pratique l'agriculture, mais aussi le commerce. Et ce qui a fait que les autorités ont tourné tout, leur regard dans cette région. Si vous regardez les investissements en matière de commerce, en matière de développement du commerce, l'État a mis des grands moyens pour développer ce commerce par la création de certains grands marchés transfrontaliers, n'est-ce pas au niveau des, départements de, de Tessawa, de Dagé, de Gazawa, et en tout cas tous ceux qui sont autour de la frontière du Nigeria. Parce que la particularité de Maradi, son commerce est tourné vers le Nigeria. C'est vrai, le commerce du Nigeria euh, du, de Maradi dépend fortement du grand voisin du le Nigeria. Ce qui fait que ces derniers temps, ça souffre un peu. Mais malgré tout, on arrive à, quand même, les commerçants arrivent à, à, surmonter ces difficultés-là grâce à, vraiment à des, à des ingéniosités, comme si je peux l'appeler ainsi. N'est-ce pas je reviens au marché, vous avez des grands marchés que l'État est en train de construire avec ses partenaires. Et ces marchés-là, c'est des marchés qui sont tournés surtout vers l'exportation. Il y a des marchés à bétail. Il y a trois grands marchés à bétail qui ont été inaugurés tout récemment et dont les, opérations les opérationnalisations ont été lancées par le gouverneur et tout récemment aussi, dans ce mois, dans ce mois-ci. Il y a trois marchés à bétail et quatre, marchés, et quatre centres de collecte de céréales. Parce que le commerce de Maradi est basé surtout sur les produits agropastoraux. Et l'État même s'y intéresse parce que franchement, c'est des, secteurs qui engagent beaucoup de, de moyens pour nos agriculteurs d'abord, ensuite pour euh, les, services fiscaux. Tijani Mohamed Sani de la direction régionale du commerce, quelles sont les opportunités dont jouissent ou bénéficient les opérateurs économiques de la région de Maradi en termes d'amélioration du climat des affaires en termes d'amélioration du climat des affaires, euh, je dirais d'abord c'est la formation. Parce que la Chambre du commerce est en train de faire beaucoup grâce à ses partenaires. Et vous avez déjà une agence, parce que la force de maladie, c'est l'exportation. Et au sein de la Chambre du commerce, il a été créé une agence euh, nigérienne de, euh, de promotion des exportations qui s'appelle ANIPEX et qui fait régulièrement des formations à ces commerçants-là au-delà de la formation, est-ce qu'il y a des opportunités qui s'offrent à eux ah, Il y a beaucoup d'opportunités. En dehors de la formation En dehors de la formation, il y a beaucoup d'opportunités. Parce que ces marchés dont je viens de parler, ces marchés-là vont être transformés en comptoirs. La Chambre du, commerce, en collaboration avec certains partenaires, est en train de voir et de prendre des initiatives pour transformer ces marchés-là en comptoirs. Ce qui fait que les difficultés sur les routes transfrontalières vont diminuer. À partir de ces marchés, quand tu prends ton produit, tu, fais, tu finis toutes tes formalités au niveau de, ces marchés, n'est-ce pas Et tu te sera délivré un bon élément commercial, comme on l'a dit, et tu n'auras pas de problème sur euh, la facilitation des échanges, en tout cas, est en train d'être favorisée. Et il y a aussi un cadre qui est créé, notamment que j'appelle, qu'on appelle celui K2M, n'est-ce pas, qui se cherche de la facilitation des échanges entre Maradi et le Nigeria. Au niveau de la direction régionale du commerce, quelles sont concrètement vos difficultés nos difficultés, c'est vraiment d'ordre général. C'est le manque de, de, statistiques. Nous avons des difficultés avec les autres services techniques, si je peux le dire, le manque de collaboration qui n'y a pas, d'abord. Il y a aussi eh, l'informalisation des acteurs du commerce, n'est-ce pas Et derrière laquelle nous sommes en train de faire beaucoup de choses avec la Chambre du commerce pour les pousser à aller vers la formalisation. Parce que quand tu n'es pas connu, même s'il y a une formation à ton endroit, la direction n'arrive pas à le faire. La Chambre du commerce également, qui, leur offre beaucoup d'opportunités dans le cadre de leur travail. Est-ce que aujourd'hui euh, la direction régionale du commerce a les moyens euh, pour euh, sa propre politique Pour sa propre politique, maintenant ça va. Nous avons en tout cas les, cadres nécessaires pour le faire. Les moyens, c'est vrai, les moyens font un peu défaut, mais nous avons quand même le minimum. L'État a offert le minimum pour qu'on puisse vraiment atteindre les buts escomptés. Alage Mohamed Nalawali Hamissou du syndicat des commerçants de la région de Maradi. Quels sont les obstacles ou encore les difficultés rencontrées par les opérateurs économiques ou les petits entrepreneurs à Maradi ou dans les départements de la région Vraiment, les commerçants de la région de Maradi font face aujourd'hui à des multiples problèmes. Tantôt, si ce n'est pas à la douane, de l'autre côté de, de la direction de l'info. Parce que il y a un adage qui dit trop d'impôts tu l'impôt. Vraiment, nous, la population de Maradi, on peut dire que le commerce est dans notre veine même. Nous avons hérité ça de nos grands-parents. Mais jusque-là, le commerce se fait de la manière traditionnelle. Donc, raison pour laquelle tu vas rencontrer un peu partout et le commerce se fait de la manière informelle. C'est un obstacle. L'informel, est-ce que c'est la faute euh, des autorités ou bien la faute de votre structure, le syndicat des commerçants de Maradi Merci de m'avoir posé cette question. Je peux dire le problème, dans un premier lieu, vient de l'autorité parce que, avant tout, notre gouvernement devrait organiser ou bien recruter des gens talentueux, des jeunes nigériens qui vont s'intéresser pour aider ses frères nigériens ceux de la région de Maradi, en organisant des équipes de sensibilisation. Mais tout à l'heure, le représentant de la direction régionale du commerce disait que l'organise fréquemment des formations à l'endroit des opérateurs économiques. Oui, justement, justement, il y a ça aussi, mais je ne refuse pas. Tu sais très bien, il y a un adage Hausa qui dit Dambou Inia, Beijing Mai. Donc, c'est petit à petit. Il faut toujours aller mollo, mollo. Comme ça. Cet adage, ça veut dire concrètement quoi en français Et l'accès de tout est nuisible. Merci. Donc, aujourd'hui, le problème qu'on rencontre au niveau de la direction des impôts, il y a des gens qui détiennent leur NIF, soit disant c'est pour les transactions douanières. C'est pas tout le monde qui est la majeure partie sont des transiteurs c'est pas tout le monde qui est un opérateur économique qui cherche des travaux auprès du gouvernement. L'attacheront. Oui, et autres. Mhm. C'est le transit. C'est le transit. L'activité principale, c'est le transit. Et avec l'abandon de la guerre là, Boko Haram, tout est banni maintenant. Tu vois, c'est tout, tout un problème. Parce que tu vas aller rencontrer un opérateur qui, qui a un chiffre d'affaires plus d'un milliard aujourd'hui, n'a rien tu vois C'est un obstacle. Donc l'État devrait quand même soulever ou bien, et pour ne pas dire soutenir ce commerçants-là. Parce qu'il y a l'impôt sur le bénéfice, le ISV, là, on ne parle plus, on ne parle plus de ça. Alors que nous, ils nous ont expliqué, ah, on prélève l'impôt sur votre bénéfice si au cas où ça, ne marche plus, on va vous aider. Alors que ce n'est pas ça. Jusque-là, je te dis, on n'a pas aidé une personne. Donc moi, je le connais ici à Marrakech. Est-ce que vous avez également des problèmes avec euh, la douane de maladie Bon, et le problème dont l'on rencontre avec la douane, c'est vraiment le fait d'envoyer des multiples circulaires. Chaque jour qui est de fait, c'est de nouvelles mesures qui se prennent au Niger. Mais on, on est dans quel état Si on ne peut pas euh, prendre une décision qui peut au moins se durer pour que l'économie puisse aller de l'avant, c'est de, la déroute. Raison pour laquelle aujourd'hui l'économie nigérienne a perdu sa place. Parce que avant, avant la chute de l'uranium, voire même la mi-vente, et ne s'intéresse plus à ces commerçants. C'est maintenant qu'il se rendu compte, ah, il nous faut la collaboration des commerçants du Maradi. Alage Hamissou du syndicat des commerçants de la région de Maradi. Outre la vieille garde des commerçants rompus aux activités euh, de business, on assiste ces dernières années à une émergence de jeunes, le plus souvent issus du système scolaire de vous certainement. Ces jeunes sont en train d'investir leur argent dans le bâtiment et les transports. Comment renforcer ce dynamisme économique dans la région de Maradi Merci. Vraiment, c'est très encourageant venant de ces jeunes nigériens. Vraiment la ville de Maradi, elle est pleine de jeunes dynamiques qui sont prêts à mobiliser les ressources financières. Parce que le Niger, c'est notre bien commun. Selon vous, comment faire pour euh, dynamiser davantage euh, ce secteur Bon, pour dynamiser ce secteur, je peux dire, pour le moins, il faut vraiment encore faire appel à ces jeunes. Il faut les aider, il faut toujours les approcher, comme l'avait dit Monsieur le directeur, vraiment, j'apprécie cette méthode dont il dit. C'est la méthode d'approche qui est la, ligne principale même pour que l'économie puisse aller de l'avant. Mais euh, dans les années passées, il n'y a plus cette approche. Est-ce que tu vois Maintenant, à l'état actuel dont je te parle, il y a des jeunes nigériens dont ils sont de la région de Maladi, dont ils ont investi dans plusieurs secteurs. Ça me donne l'envie même, ça m'encourage encore je trouve ça vraiment quelque chose de, de bravoure. Ça veut dire que beaucoup a été fait euh, au niveau de la direction des impôts, au niveau de la direction du commerce. Ce qui a été fait au niveau de la direction de l'impôt, sans rien te cacher, est-ce qu'on peut donner ce qu'il n'y a pas Même si tu viens chez moi, si je ne n'ai pas, je peux te dire que je joue pas. Mais la direction commerciale, elle, elle est là toujours, elle cherche comment faire. Et elle cherche des voies qui puissent amener le commerce, au moins circuler. Abdou Hassan, directeur de la Chambre de commerce et de l'industrie de Maradi. Comment sont vos relations avec euh, le monde des affaires euh, dans la région de Maradi Merci, monsieur le journaliste euh, du studio Kalangou, Fondation Hirondelle. Hein. Vraiment, je suis très content que vous soyez venu à Maradi pour nous permettre de nous expliquer davantage et d'attirer l'attention des uns et des autres. Je parle des gens du secteur privé pour qu'ils comprennent les enjeux qu'il y a et qu'ils comprennent que cette capitale l'a appelée capitale économique depuis longtemps, qu'il continue à ce qu'elle conserve son titre. Si on va aux relations entre la Chambre de commerce et le secteur privé, moi, sans rien cacher, je peux dire que la relation entre la Chambre de commerce et le secteur privé va très bien parce que c'est des gens qui sont toujours à l'écoute de la Chambre de commerce. Ils ont bien compris que la Chambre de commerce, c'est une structure qui les appartient. Personne ne peut animer la Chambre de commerce que ses opérateurs économiques. Ça, quand même, ils ont bien compris. Dès qu'il y a un problème, tac, ils partent à la Chambre de commerce. Et nous, dès qu'il y a des nouveautés, nous aussi, on fait appel à ce secteur privé pour leur rendre compte et appeler les acteurs pour qu'ils leur expliquent de quoi il s'agit. Lui, le directeur régional des impôts, il est là devant moi, il témoigne. Quand il était arrivé, c'est vrai, c'est son deuxième séjour, si je ne me trompe pas, monsieur le directeur. Donc le secteur privé a réuni tous ces gens, les principaux par secteur d'activité, pour qu'ils nous expliquent les tenants et les aboutissants des nouvelles mesures de la loi de finances, parce qu'il y a eu des bruits qui circulent partout. Même si vous mourrez dans votre, dans votre héritage, il faut qu'on enlève ceci, des, des inutiles. Donc le directeur des impôts et son staff, ils étaient venus entièrement. On a tenu une réunion toute une matinée. Et les gens sont sortis satisfaits encore beaucoup plus satisfait car le directeur vraiment a dit que sa porte est ouverte à tout contribuable, sans exception. Dès qu'il y a un problème, allez-y voir le directeur. Vous le connaissez, ce n'est pas pour la première fois qu'il est ici. Vraiment, sa porte est ouverte et la porte de ses agents est ouverte aussi pour euh, d'amples explications pour attirer l'attention du secteur privé à ce qu'il se conforme. Abdou Hassan, euh, directeur euh, de la Chambre de commerce et de l'industrie du Maradi, quelles sont euh, les difficultés dans votre travail Voilà, les difficultés, vous savez, ça, ça ne manque pas. Mais vraiment, on est en train de les combattre. Parce que d'abord, un, c'est les difficultés du secteur informel. Sincèrement, on a beaucoup d'informels dans le temps. Mais quand la Chambre de commerce a créé le centre de formalité des entreprises qui aide les opérateurs économiques à se formaliser, vous faites votre registre de commerce, vous faites votre NIF. Avant, c'est des actes qui se font à grands coûts. Mais maintenant, la Chambre de commerce, avec son appui, avec sa collaboration avec les impôts, vraiment, on a ramené le registre du commerce et le NIF à un truc presque dérisoire parce que vous payez 17 500 francs pour l'ensemble de ces actes-là. Et le registre et le NIF. Et sur votre registre de commerce, de 17 000 là, vous allez voir un timbre de 11 500. Donc tout ce que vous, vous allez donner à l'administration de la Chambre de commerce, c'est 6 000 francs. 3 000 francs pour le NIF, 3 000 francs pour le registre de commerce. Donc vraiment, on est en train de sensibiliser les gens pour qu'ils viennent se formaliser. En se formalisant, vraiment, ils euh, donnent, entre guillemets, c'est toujours ce que je leur dis, un acte de naissance à ces activités, à leur activité commerciale. Et ça leur permet de gagner beaucoup plus aux impôts. Parce que plus vous êtes au réel, plus vraiment vous n'avez pas beaucoup de charges. Puisqu'il y a des moments, si vous êtes dans l'informel, on peut vous taper n'importe comment. Mais maintenant, à chaque fin du mois, si votre chiffre d'affaires est important, vous venez à la direction des impôts, vous faites votre déclaration. Ou bien vous pouvez passer à la chambre de commerce, il y a des formulaires, on vous remplit, vous amenez aux impôts, ils apposent leur euh, cachet, ils font la signature, ils vous remettent euh, votre déclaration. Si le chiffre d'affaires n'est pas tellement important, entre guillemets, vous faites la déclaration une fois par trimestre. Au total, par an, vous allez faire quatre déclarations. Il n'y a pas plus bon que ça et vous suivez vos opérations. Et c'est ce que le directeur a dit tout à l'heure pour la fiscalité. Il a dit c'est c'est par rapport à vos activités. C'est vous-même vous déclarez vos activités. Donc par rapport à vos activités, si vous avez quelques papiers de vous pouvez même vous dire ah moi je vais payer tant de francs cette année. Vraiment, c'est ça un des problèmes. On appelle les gens à venir se formaliser. Les impôts c'est pas un problème. Et non seulement à se formaliser, il faut que le promoteur fait un effort pour venir lui-même au centre de formalité des entreprises à la chambre de commerce. Il vient, il explique ce qu'il veut, on lui fait le registre de commerce, on part aux impôts, on fait la déclaration d'existence, on fait la fiche de repérage. Et tout ça là, ça se fait en un temps record. On a créé le centre pour faciliter ces activités là aux opérateurs économiques les nouveaux promoteurs et les anciens qui veulent un changement d'activité ou bien un rajout. Entre autres encore, la Chambre de commerce a créé le centre de gestion agréé. C'est un centre spécialisé de la Chambre de commerce qui vous assiste dans vos activités dans le cadre juridique, le cadre fiscal, le cadre social. Donc le centre, le centre est là lui aussi. Il a ses adhérents. Les gens viennent, ils adhèrent en dehors du territoire nigérien puisque euh, la plupart des opérateurs économiques font des transactions vers euh, le grand voisin euh, du Nigeria. Est-ce que vous les suivez jusqu'au Nigeria pour leur faciliter leurs transactions Vous savez, les activités au Nigeria, vraiment comme vous avez dit tout à l'heure, les commerçants de la vieille garde, c'est eux, nos grands-parents, qui ont initié ce commerce entre le Niger et le Nigeria. Dans le temps, on faisait ça à sur la tête, on prenait les marchandises pour aller au Nigeria. On fait ce marché, ça finit, on continue à un autre, on continue à celui-là, ainsi de suite jusqu'à rentrer au Nigeria. De là-bas, vous chargez encore les marchandises du Nigeria, vous les vendez en cours de route jusqu'à arriver à la maison. Après, il y a eu les ânes, il y a eu les chameaux, il y a eu les véhicules maintenant. Mais c'est un truc qui se fait sur confiance. Parce que entre Katina, si vous prenez Katina et Maradi, c'est la même famille, c'est la même population, c'est les Blancs qui ont partagé avec leur histoire de frontière. Mais c'est un commerce qui se fait sur la base de la confiance. Donc ces acteurs-là, c'est eux qui cherchent leurs collaborateurs du Nigeria. Ils leur donnent les Sans impliquer la chambre de commerce Non, l'implication de la chambre de commerce, c'est sur les papiers, leur permettant de faire le dédouanement pour passer les marchandises vers le Nigeria. Certainement, il y a l'assistance. La reconstruction du grand marché de Maradi a été une préoccupation constante pour les commerçants et les populations de la région. Outre le noyau central, le marché central de Maradi compte environ 2000 boutiques. Ceux qui connaissent euh, les marchés de la sous-région disent que le marché central de Maradi est non seulement un complexe euh, moderne et futuriste, mais également l'un des plus beaux de la sous-région. Malgré tout, de nombreuses boutiques restent jusque-là inoccupé. Tijani Mohamed Sani de la direction régionale du commerce, pourquoi les commerçants réchignent à occuper totalement ce marché Ça, c'est vraiment une question délicate parce qu'il y a beaucoup de, zones dites dont je ne voudrais pas revenir ici parce que c'est purement informel. Et d'aucuns disent que les boutiques sont chères, D'aucuns disent qu'ils n'ont pas été associés à l'occupation. D'aucuns disent que, franchement, il y a beaucoup de ont dit. Le problème, l'État est en train de chercher des solutions à ça. Et c'est toujours, et présentement, c'est une, un comité qui a été mis en place pour gérer le problème de ce marché-là. Parce que franchement, c'est délicat. Est-ce que réellement les boutiques coûtent cher Bon, pour une question économique, hein, parce que moi, personnellement, personnellement, si ça ne tient qu'à moi. Je pense que franchement, c'est la juste mesure. Peut-être que c'est la manière qui n'a pas été bien choisie. Personnellement, ça, ce n'est pas euh, l'idée de, ma direction ni de mon administration. Ça, c'est mon idée personnelle que je, vous dis ici. Vous pensez que euh, beaucoup d'efforts restent à faire pour que ce marché soit euh, totalement occupé Franchement, c'est difficile. C'est une question difficile à, laquelle je ne pourrais vous répondre. Hein. <laughs> Tijani Mahmoud Sani de la direction régionale du commerce. Que comptez-vous faire au sujet de ce marché central de Marajdi pour sa vitalité En tout cas, pour le moment, l'État et les autres partenaires du marché ont mis un comité et on attend le résultat de, ce marché-là. Donc, toute réponse que je, je donne sur la gestion de ce marché serait franchement inopportune et pourrait peut-être même entacher le travail de ce comité-là. C'est pourquoi je vous dis que c'est vraiment une question délicate. Ces marchés occupés à combien en termes de pourcentage à, 25 à 30 hein, d'occupation. Entre 25 et 30 d'occupation. Où est-ce que ces commerçants font leur euh, affaire Comme on le sait, Maradi, c'est une zone économique. Comme vous le constatez, vous l'avez même dit dans votre introduction, quand on euh, sillonne les, rues de Maradi, c'est une, ville qui bouillonne en activité. Donc, euh, les gens sont encore euh, dans la rue, dans les différentes rues et ruelles de, la ville de Maradi. Abdou Harouna, euh, directeur régional des impôts de Maradi, en matière d'activité commerciale dans la zone de Maradi, le système informel reste puissant, vous l'avez rappelé tout de suite. Comment expliquer ce état de fait Bien. Donc, avant de répondre à votre question, permettez-moi de lever un peu quelques équivoques par rapport à mon frère euh, représentant de commerçants, c'est qu'il a soulevé. Et la DGI et au-delà, le gouvernement a beaucoup fait dans le cadre de l'encouragement et de l'accompagnement, surtout des jeunes entrepreneurs. Dans le cadre du Doing Business, on avait élaboré un programme pour qu'on puisse d'abord faciliter la création de l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise, à 24 heures, 48 heures, vous avez votre entreprise. On a défiscalisé beaucoup d'actes avant, pour les anciens, ils savent que pour avoir un NIF, on vous demande un certificat d'imposition. De Le certificat d'imposition, il faut payer quelque chose. On a levé. Sur l'attestation du NIF, il y a un timbre de 1500 qu'on a posé. On l'a supprimé. Maintenant, le seul frais que ça vous coûte, c'est juste le timbre de 200 francs que vous avez apposé sur votre demande. Est-ce que c'est uniquement fait pour la région de Maladie ou bien c'est uniforme dans tout le Dans le cadre global, le Doing Business, vous savez, c'est un programme qui tient cher aux plus hautes autorités de ce pays, à améliorer le climat des affaires. Et pour l'enregistrement des statuts, maintenant c'est gratuit. Quand vous créez votre entreprise, pour l'enregistrement des statuts, avant il y avait des timbres, il y avait des frais, maintenant c'est gratuit. Donc pour le dire, et par rapport aux jeunes entrepreneurs aussi, on a, il y a un certain nombre de facilités, notamment l'exonération par rapport à la taxe professionnelle pour le premier exercice, et aussi et mon frère de la Chambre de, la chambre de commerce l'a soulevé, les centres de gestion agréés. Ça, c'est une initiative qui n'émane pas seulement de la volonté de la Chambre de commerce. Il y a le ministère des Finances à travers la DG qui accompagne. Et on a accordé beaucoup de facilités à tous les opérateurs économiques qui adhèrent aux centres de gestion agréés. Il faudrait que, quelque part, les gens cherchent à connaître les textes, il faudrait chercher à rechercher les informations. Maintenant, par rapport au secteur informel, c'est vrai, le secteur informel n'est pas une mauvaise chose en soi. Vous avez en Europe des pays qui sont basés sur la, qui sont développés sur la base de l'économie informelle. Quand vous voyez le seul exemple que je vais vous donner, c'est l'Italie. L'Italie des années 90 jusqu'à 2000, c'était le pays le plus instable de l'Europe. Vous avez un gouvernement qui fait peut-être une semaine, deux mois, ainsi de suite. Chaque fois, c'est des élections. Mais pourtant, l'économie de l'Italie tenait bien. Parce que cette économie n'était pas liée forcément au fonctionnement régulier de l'État. Donc, le secteur informel n'est pas en soi un obstacle au développement de l'économie. Il faut savoir l'organiser et tirer le profit. Nous sommes en train d'encourager ce secteur informel à travers les facilités qu'on accorde pour la formalisation. Créez votre NIF. Pour créer votre NIF, on a dit voilà les méthodes, voilà les chemins à suivre. Et ça ne vous coûte absolument rien. On a élaboré un certain nombre de, textes qui sont de nature d'abord à casser à le mythe que les citoyens ont de la Direction générale des impôts comme un gendarme. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, si vous dites que c'est une convocation du receveur des impôts ou du chef des centres des impôts, ils préfèrent que ce soit le juge ou le procureur qui les ait convoqués. Il y a beaucoup de gens qui me disent, et nous, on s'était dit que non, il faudrait qu'on casse cette conception. Et on a ouvert, moi particulièrement, parce que bien avant d'arriver ici, on a élaboré un certain nombre de projets au niveau de la DGI pour la sensibilisation et la promotion du services fiscal. Et ce projet-là, il y a des comités qui ont été mis en place. Ils ont fait le tour un peu partout dans le pays pour qu'il y ait des réunions, des rencontres avec les opérateurs. pour comprendre que la DGI, là, elle est là pour eux. Vous livrez, vous voulez qu'on vous paye. Mais pour qu'on vous paye, il faut qu'il y ait l'argent quelque part. C'est un cercle vicieux. L'argent là, c'est ce que les agents des impôts collectent pour aller reverser au trésor. Parce qu'un franc que nous collectons, on retire et on reverse au trésor. Vous avez votre facture, vous courez derrière le trésorier. Ah, oh, il faut que vous payiez, mais le trésorier, n'ai pas d'argent. Pourquoi est-ce qu'il va avoir l'argent C'est quand vous, vous payez vos impôts. Donc c'est un cercle, c'est un cycle. Vous payez vos impôts et vous payez. Le secteur informel, on cherche à l'organiser pour attirer le maximum de profits. Sinon, ça serait illusoire de dire qu'on va carrément faire disparaître le secteur informel. Non. Hajj euh, Mohamed Lawali Hamissou du syndicat des commerçants de la région de Maradi, existe-t-il des tracasseries administratives, policières et douanières euh, ici à Maradi Bon, je peux te dire que si on rencontre même les tracasseries, c'est avec la douane. Vraiment, c'est avec la douane. Mais pour ce qui est de la police, un commerçant n'a rien à voir avec la police. Sauf si, même en cours de route, euh, entre l'axe euh, Maradi euh, et les autres, les autres États du Nigeria Ah non, non. La police, vraiment, là, je suis sincère que la police n'a rien à voir avec. Comment s'est fait votre collaboration Je parle des commerçants et la douane. Tu sais, la douane, c'est une administration parmi tant d'autres. Donc, généralement, ce ne sont même pas les commerçants qui partent à la douane, ce sont les transitaires. Un commerçant n'a rien à voir avec la douane, sauf si il y a une infraction et on peut appeler à ce commerçant. Et avec, euh, avec euh, le compte unique, maintenant, même les transiteurs, le versement se fait à la Sony Bank. Donc, pour ne pas dire qu'il n'y a plus de problème, et maintenant on est sur le point de trouver des solutions à ces problèmes dont on avait rencontré avant et dont on avait laissé en arrière. Mais maintenant, je ne suis pas à l'état actuel. Il n'y a plus ce problème. Tout à l'heure, euh, le directeur de la Chambre de commerce, Abdou Hassan, et même euh, le directeur régional des impôts, Haruna Abdou, ont parlé de la loi de finances, l'impact de la loi de finances. Quel est euh, cet impact de la loi de finances 2018 sur vos activités En quelque sorte, je peux te dire, si aujourd'hui un commerçant va pleurer sur, la loi de finances, c'est parce que ce n'est pas la loi de finances, elle ne va pas agir sur le commerçant, c'est sur la population qu'elle va agir. Oui, c'est sur nos parents, ceux qui vont aller acheter ou bien. Est-ce que tu vois Parce que lui, le commerçant, de toute façon, il veut gagner. Et le gouvernement, s'il veut que le commerce continue à contribuer dans l'économie du Niger, il y a des mesures à revoir dans cette loi de finances. Je ne veux pas dire la loi de finances tout entière. Mais il y a deux mesures à reprendre. À revoir. Oui, à revoir. Abdou Hassan euh, de la Chambre de commerce, rapidement, que faut-il faire euh, pour davantage améliorer le climat des affaires euh, pour que Maradi reste la capitale économique du Niger Rapidement. Merci. Donc rapidement, je commence par compléter, monsieur le directeur euh, régional des impôts, sur euh, la facilitation accordée aux opérateurs. Concernant l'enregistrement, l'enregistrement des actes au niveau des impôts est gratuit. Il y a même un cachet où c'est écrit gratis, donc c'est lui qu'on impose sur votre acte. Et encore, ce qui est bon, maintenant l'opérateur économique, le promoteur, s'il veut créer une société à responsabilité limitée, il peut la faire. On ne dit pas qu'on peut faire ça à zéro franc. À un franc de capital, vous pouvez constituer votre société. Et encore, avant, on partait chez le notaire pour payer 250 000 à 300 000 et au-delà. Maintenant, vous partez à la chambre de commerce, séance tenante, vous dites ce que vous voulez, l'objet de votre euh, société, le siège. On vous fait sortir le document gratuitement. Et vous partez, on vous fait l'enregistrement gratuitement. Vous revenez, vous payez 17 500 francs pour le registre et le Abdou Hassan, donc vous pensez, que beaucoup a été fait dans ce secteur Harouna Abdou, de, la direction régionale des impôts, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer davantage le climat des affaires ici à Maradi rapidement Donc, euh, rapidement, il faut que mes parents, mes frères de Maradi comprennent une chose. L'économie, elle peut se développer que sur la base de la complémentarité. Il a soulevé tout à l'heure le problème des transitaires. Le problème de Maradi, c'est que vous avez un secteur qui englobe pratiquement la quasi-totalité ou l'écrasante majorité des, des, commerçants. Donc, dès qu'il y a un problème, c'est tout le monde qui coule. Aujourd'hui, le problème de Maradi, c'est parce que le transit a des problèmes. Il faut que mes frères et, mes frères et parents de maladie comprennent que il faut essayer de trouver. Je suis un transitaire. Il faut que je cherche à savoir le transitaire, il a besoin de quoi pour que son activité marche. Je me spécialise dans ce domaine. On ne peut pas être tous, par exemple, transitaires. C'est le même marché. On ne peut pas tous être entrepreneurs BTP aujourd'hui. Moi, j'étais surpris de mon premier séjour à aujourd'hui quand j'ai vu le taux d'entrepreneurs en BTP. C'est le même marché. Si je vois que lui, il est entrepreneur BTP, mais moi, je me spécialise dans la vente des matériaux de construction, de construction ou bien même dans la fourniture du gravier et du sable on est complémentaires. S'il se développe, on se développe ensemble. Son développement entraîne mon développement, mais quand on dit qu'on va aller sur tout le même, le secteur, ah, je crois que quand il y a un petit clic, c'est tout le monde qui va brûler et c'est aujourd'hui le cas malheureusement qu'on est en train de vivre dans la région de Maradi. Tijani Mahamad Sani euh, de la direction régionale du commerce, rapidement, rapidement qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, davantage améliorer bon, Comme euh, l'avait dit le, directeur général des impôts, les opérateurs économiques de Maradi doivent s'adapter. Parce que maintenant, tout ce qu'il faut faire, parce que l'État même s'intéresse surtout, eux, c'est l'exportation des produits agro-pastoraux, n'est-ce pas, les produits de rente surtout. L'État veut les amener à la transformation de ces produits pour leur augmenter une plus-value, afin de faire profiter plus le pays dans ce sens-là. Au lieu d'importer, d'exporter des produits agro-pastoraux bruts, c'est la transformation. L'État veut les amener vers la transformation. Vous voyez, si vous partez maintenant au niveau du laboratoire, il y a des, des gros investissements qui sont en train d'être faits parce que on veut que Maradi soit tourné vers l'exportation de la viande. Que ce soit euh, le bétail brut, il faut qu'on amène la, viande. Et quand on fait déjà l'exportation de la viande, il faut voir le nombre de personnels qui vont s'adonner à ce travail-là. Il faut voir le nombre de, produits qui vont sortir, on pourra exporter aussi. l'âge Mohamed Lawali Hamissou du syndicat des commerçants, rapidement, vos propositions de solutions Et Vraiment, ce que je veux dire, je lance un appel aux autorités, vraiment, pour que le commerce puisse continuer encore dans la région de Maradi. Ils n'ont qu'à faire, tout faire pour aider les commerçants de, la région de Maradi. Ma solution ici, c'est de ne plus faire les, arrêter là, pêle-mêle, le fait de borner nos champs de nos grands-parents. Parce que c'est une entrave aussi à l'activité agro pour l'agriculture de la région de Maradi. D'ici 20 ans, on ne le souhaite pas. Maradi n'a plus de, de champs à cultiver. Est-ce que tu vois voilà, nous sommes euh, au terme de ce forum de studio Kalangou, enregistré dans les locaux de la radio Garkoa de Maradi, notre radio partenaire. Nous avions eu comme invité Abdou Harouna, directeur régional des impôts de Maradi, Tijani Mahamana Hassani de la direction régionale du commerce, Alaj Mahamana Lawali Hamissou du syndicat des commerçants de la région de Maradi et Abdou Hassan, directeur de la chambre de commerce et de l'industrie de Maradi. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 34 radios partenaires. Merci, au revoir.